sauran de la fada barkan ku da warhaka barkam da sake kasance tare da ku a cikin wannan shirin naku shirin mu hada fada kenan wanda ni fanta shamsu nake gabatar muku da shi a wannan maraicin aujourd'hui dans votre émission tous à la fada nous allons aborder le sujet des mensonges et des fausses promesses avant le mariage et essayer de cerner les raisons qui pourraient pousser les jeunes a agir ainsi wato dai yau za mu kawo zancen karyace-karyace da ake yi wa juna kamin armi et selon Sheikh Jibril Ismail Karanta le président de l'Association islamique du Niger, dans une interview accordée au studio Kalangu à propos des divorces prononcés au Niger. Il dit, je cite, Beaucoup de prétendants assurent l'essentiel des besoins de la jeune fille. Avant le mariage et après le mariage, ils sont incapables de continuer. Et il poursuit aussi, le mensonge est parmi les principales raisons de ces divorces. Fin de citation. Par ailleurs, pour la psychologue clinicienne française Lisa Letessier, Dans un article publié par le site Ouest France, le mensonge peut ébranler la stabilité d'un couple et mettre à mal la confiance au point d'envisager la séparation ou la vengeance. Abin da ake nufi a nan dai shine karece-karecen nan da rashin cika alƙawura da matasa ke yi wa juna kamin aure suna daga cikin manya-manyan dalilan da ke kawo rushewar aure ko rashin samun nasara a zaman aure. Wayanne irin karece-karece ne matasa suka fi yi wa juna? Wani irin alƙawula ake ɗauka ba a cikawa? Wayanne irin matsaloli matsaloli hakan ke shayowa muke sa matasa suna amfani da karya kafin aure da duka waɗannan tambayoyin ne za mu yi ƙoƙarin kawo amsoshi a cikin wannan shirin naku na mu haɗu a fada ekon vous le mission tout sala la fada c'est 35 minutes d'échange de musique de rubrique et de chronique sauraren mu yau mun baje kolin fadar tamu ne a nan filin studio Kalangu inda muka ɗauko muku zancen Pourquoi les mensonges et les fausses promesses avant le mariage Et vous l'aurez compris, je suis entouré de jeunes hein, qui sont là pour parler, pour essayer de développer et cerner cette question. Ƙarya de kowa ya san ne ƙarya, amma ku wace irin ƙarya kuka fi ji an ce wato saurayi ko budurwa sun yi wa juna kamin aure. Na gode Fanata, eh, ni sunana Rabi. karya dai mai yawanci biskan harkar zamantakewa na budurwa da sarmayi kayan aure mai yawanci daga maza ke hutawa me yasa na ce daga maza ke hutawa saboda kahin ai arman sai ta maka alkawari da yawa ko kuma ya kwatanta ma yarinya kamar shi mai kuɗi ne mai yawanci karyar da suke yi kenan shi mai kuɗi ne ke in ya arme ta sai kenan haka dai zai ta wanga kinta dai ya mata shigo shigo ba zirgi kuma sai an yi arman ta ga kawai ba haka nan bane eh, Je me nomme eh, Eminel Kasm Suleiman et eh, je suis étudiant et je suis activiste et entrepreneur aussi. To Anya Suleiman ka yarda da wannan zancen na Bebisha. Eh to gaskiya ta ce wai samari ne suka fi wa 'yan mata ƙarya. Ta kowane bangaren ana samu. ana samu ta bangaren namu maza kuma su ma matan ba a bar su ba baya ba saboda idan ka diba yadda ta gayi haka ne za ka samu samari wanda kayan a aure za su kwatanta miki da in kika zo gidansu ba ya mace da ta ji daɗi kamar ki kuma ya aka diba abun kuma ba gaskiya bane kuma laifi yana gare su ma matan yanzu zaka diba gani kayan a arme ki ko da yaushe aka tashi da marece da sahe nan ku ne wannan restoran shawarma can ku ne wancan burodi na ajiye a samu eh, wannan jus mai sanyi a dinga hada ana sha ka saba kashe mata jika goma sha biyar a wuni ta je gidan naka sa ta waye ka bata jika ka ce ta maka miyo kubewa ai ba za ta yarda ba ko ina fa yawa kenan su ma ya kamata a ce su dinga kula in su ga namiji yana wannan barazana nawa in dai daga suka kake arme zaka yi wannan kuɗin a je su in muka arme mu more da kayan mu yanzu ka ɗauka ga yarinya yanzu in ka ɗauka yarinya ma in ka ɗauke ta kuka hira kuka yi exchangear numero to ha in dai kai ba za ka mata wannan barazanar ba yau ka kai ta wannan restaurant yau kai ne nan kai ne nan da ita ka sa ta mota da kakunan dan sanyin nan raba ta kwashe ta ita shi kenan ganin take ba wata sauran ya kamata to Suleiman wasu mata amma ba duka ba gaskiya haka ne mai wasu ribin suke idan aka yi armen ma haka za a tashi suna jiran an zarka ran san ka mai gida ya bugu yi wanka sa turare ki sa takalma za mu je wannan restaurant yau baki da huwa Euh, moi, c'est Déborah Touron, étudiante en journalisme audiovisuel troisième année. Bienvenue dans notre ADA de Débo. Quels sont les mensonges que tu as déjà entendus euh, Merci. Euh, moi, je dirais qu'il y a plusieurs types de mensonges. premièrement, et je dirais que les femmes mentent vraiment. Mm. Pourquoi je dis ça et Parce que tu pousses au fait l'homme à te mentir. Parce que tu montres à cet homme que voilà ce que toi tu es, alors que tu ne l'es pas. Pourquoi je dis ça Par exemple, tu connais ta condition. Tu sais et, ce que tu es et ce que tu vis. Tu vas pas imposer à un homme euh, de te montrer ou bien de te donner ce qu'il n'a pas. Parce qu'aujourd'hui, je peux venir vers toi. Euh, et je vois que toi, tu es une fille matérialiste, tu, aimes trop l'argent. Et ben, si moi, je veux de toi, je vais mentir pour t'avoir, pour te récupérer chez moi. Donc, c'est ça qui fait que et les hommes mentent le plus parce qu'ils voient une femme, elle est capable et ils veulent prendre cette femme. Donc moi, je vois que les femmes mentent et c'est ça qui pousse aussi les hommes à nous mentir. Eux, les hommes, ils aiment trop se flatter, ils aiment trop dire ce qu'ils ne sont pas. Donc je viens, je te dis, voilà ce que je suis, j'ai ça, alors que ce n'est pas ça. Par exemple, moi, je connais un cas. Il est venu dire qu'il est chef et mécanicien alors que c'est faux et il travaille même avec le diplôme qui n'est pas pour lui. Vous voyez Et la fille, elle sort d'une grande maison et la fille vient, elle voit que vraiment ce n'est pas ce qu'elle a, ce que le gars lui a dit. Donc vous voyez, et premièrement, c'est c'est nos parents au fait qui nous poussent à, à ce que l'homme mente envers nous parce que tu es dans un luxe. Les parents même insistent à ce que tu trouves un homme qui est bien. Donc l'homme mentira pour avoir cette fille, ça c'est sûr. Il y a plusieurs types de mensonges, hein. vous venez de l'entendre avec Deborah. Merci Deborah pour ton intervention. avec euh, la rubrique Rose. Coucou tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles, une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne, des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique. Du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traitées et partagées par nos chroniqueuses. De l'arbre rose de ce samedi de l'espace santé et bien-être, nous parlerons du bienfait du bicarbonate des soude sur les mains et sur les pieds. Puis en beauté avec moi Fanta, nous découvrirons les gestes à éviter pour chouchouter nos cheveux. Et en cuisine avec moi Bibi, on va se rafraîchir avec quelques astuces de jus naturel. Top, mhm. c'est parti. Le bicarbonate de soude ne va pas arrêter de nous surprendre avec ses multiples bienfaits. Notre blogueuse beauté Juma déjà vous vient aujourd'hui avec une astuce magique pour les mains et pour les pieds. On l'écoute. C'est pour aider toutes ces femmes qui ont des problèmes de taches au niveau des pieds ou des mains. On rencontre ce phénomène surtout chez les personnes qui utilisent les produits éclaircissants. Donc ce qu'il faut, c'est de mélanger une cuillère à soupe de sucre, une cuillère à soupe de bicarbonate et une cuillère à soupe de Nescafé avec le jus d'un citron. Après avoir fait le mélange, tu vas remarquer que ça va commencer à mousser. C'est cette mixture que tu vas appliquer sur les pieds et les mains et tu vas frotter. C'est une astuce à faire régulièrement. Donc après la pédicure, tu passes la mixture, tu frottes. Alors on Fanta, quoi pour nous Alors avec moi aujourd'hui Rabi, on va parler des cheveux, de comment les chouchouter et les protéger au quotidien. Pour ça, il est important de faire attention à certains gestes comme n'est pas protéger ses cheveux. Crépus ou défrisés, les cheveux ont besoin de protection et les coiffures protectrices peuvent aider. Elles permettent d'éviter les manipulations trop fréquentes des cheveux et maintiennent l'hydratation. Un chignon bien soigné ou encore des tresses peut faire la Ensuite, n'est pas s'occuper de ses cheveux et du cuir chevelu sous ses coiffures protectrices. Bien que faire des coiffures protectrices implique que nous manipulons moins nos cheveux, il est indispensable de prendre soin de nos cheveux et de notre cuir chevelu en lui apportant hydratation et nutrition. Dans la rubrique du dimanche, nous partageons avec vous quelques produits naturels que vous pouvez utiliser pour chouchouter vos cheveux. Merci Fanta, merci pour tes astuces. Mariam, toi, je suppose que t'as pas besoin de tout ça. Hein. cheveux, ils sont juste dans le dos. <laughs> non, mais vraiment, tu as trop de chance. Ben, merci Fanta. Appelez. Voilà, maintenant, après avoir bien mangé, comme d'habitude dans la rubrique rose, dans celle-ci, on va s'occuper un peu du rafraîchissement, donc des jus naturels. Première astuce pour un bon jus de bissap. Déjà, j'ai découvert avec une collègue passionnée de cuisine, merci Rafika, que les feuilles de bissap écrasées et infusées donnent un meilleur goût. Et cette infusion permet aussi de garder toutes les vertus nutritives des feuilles de bissap ensuite à faire bouillir des pots d'ananas avec quelques clous de girofle pour ajouter à ces feuilles de bissap écrasées. C'est top. Juste après avoir éteint le feu, vous pourrez euh, également mettre un bouquet de menthe, de citronnelle ou des feuilles de basilic que vous allez laisser infuser au moins 10 minutes pour un jus bien parfumé. C'est tout pour aujourd'hui. Bon rafraîchissement à nos amis jeunes qui nous écoutent sur la rubrique rose. On se dit au revoir avec Te Felicito de Shakira, la chanson qui a fait polémique après sa rupture avec Gérard Piqué. Por completarte me en pedazos, me lo pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso. Fue la gota que rebasó el vaso. No me digas que lo sientes. Eso parece Amis jeunes, nous sommes de retour dans votre émission Tous à la Fada Indeo en un film studio Kalangu muke et gaba de Tataonawa akan maudu'in namu na pourquoi les mensonges et les fausses promesses avant le mariage. Za mu ci gaba da tambayoyinmu. A ganin mi iya sa mutum ya yi wa mace wacce zai aura ƙarya duba da irin mahimmancin aure kuma kamar yadda nake ta faɗa akan abu da za a yi shi ne don a zauna tutlafi bebisha da ke zan fara wannan tambayar. Ni dai a gani na babu hujja in dai aka ce zancen aure za a yi babu hujja da zaka ma yarinya karya. Kuma kamar yadda suka ce ne da hari kaga yarinya ai babban gida kamar deja ba wani ya gaya mishi ba tunanin kan shi ne da in ya yi ba za ta yi acceptance shi ba. Dai mahi yawanci karya ce sai kaga 'yan babban gidan su ne ba su da girman kai ba su da wani firejije bisa kan mazan da za su aura kenan abun da baka tai ka gani ba baka yi abordan yarinya ka gani ba kenan in ka ɗauko ma kanka ka zo ka ce za ka kwatanta mata abun da kai ba ka kai bane kenan wannan kai ka so kai ka fara ƙaryanka kuma in dai har tsakani da Allah kake son mutum sai ka zo mishi a siffar da kake yanda kake ba sai ka yi wani kewaye kewaye ba kuma fannin mata mai yawanci menene ke sawan ga abubuwa kamar dogon buri ina ce dogon buri wani cikin danginki ya samu miji wanda yana da kuɗi hakan ga yanzu ke ma sai ki kwallafa hama ranki da gayen da kike so alors que sai fasa, da de la vie il faut toujours être ambitieux parce que bai wa ka zamana kai kana da matattar zuciya baka da wani dogon buri baka da wani buri a rayuwarka Ka mai on peut pas se contenter de ce qu'on a sinon akwai abin mutane suke hita kullun da sai suna ta suna aiki sai pour pouvoir ka samu rayuwa mai inganci dan gobe kuma wani wata duke da ake neman ta a tara ai ba dan ma mata bane ake shi saboda zuri'ar da za a samu saboda in babu abincin da za a ci yau babu na gobe in ita mata ta yi haƙurin shi ɗiyan da aka aihuwa to na ji ku dukan ku da na muku wannan tambayar kun ce kamar maza su ƙaryar su su zo su nuna ma mace gashi ina da kaza ina da kaza to ita mace wace irin ƙarya ce take iya yi wa saurayi to wadda daga baya kuma abin zai taso ya yi Karyar da dai yan mata misali a cuci maza irin wannan <laughs> wannan duk kwalliya ne kenan shi ba ma yarinya bace ke so siffa jikinta ce ta yi kin shi ko kuma to utare wannan karya abu ne wanda ake iya fayyace shi tun ranar army. tun da dai hudda shi za ta yi kuma yanzu mazan su da kansu sun sani da mata ba gashin su bane wani rigar nono ba ta su bace wani wani fofes ba nasu bane yanzu wannan duk amma hudda shi cikin karyayyaki maza sun san da wannan karya da ta yi ciwo yau babu kamar ita mace ta ɗoki rayuwar da ba ta ta ba ta ce ba ta cin tuwon masara ba ta cin bakan miya mai yawanci duk shine ake samun matsala wurin mata ba a cin kaza kullum ko gidan mai kuɗi bale gidan talaka ni gani nike jahilci ne da sakarci abun da ke da kika tashi gidan kuma kin ga babu shi ta yaya wata za ta aihi ɗanta ki mata ki mishi tsaye ki ce wai ke ga abin da ke so in ba sakarci ba tsakani da Allah yau in kana son namiji kai ka kama mishi ya zama wani abu paske mo sai sama fiyarte in kana tare da namiji yau ka kama mishi ya zama wani abu ci gaban ka ne sannan ma ne ka yi magudun wulakanci tunda duk abin da zaka mishi na soyayya wallahi ko an sa mishi dan tanka ga ido bai ce dan kudin shi ne saboda kuɗin kuna talaka an san juna kar ta san kare ne amma me kudi yau mai yawancin armamakin da ake ana rabuwa wallahi an kuka bincika ba wani budurwa da sarmayi bane da aka taso tare aka wahala tare aka yi karatu tare aka yi tare aka yi armi wallahi ba su bane suke rabuwa masu rabuwa abubuwan nan irin ban Allah ecidiyan ya kashe kanshi an sha wahala tare ana soya rana guda tsaka tun da diya mace girman ta ba guda da na namiji ba mace daga ta tasa sai a rika sa mata ido ta yi armi ta yi armi to wataran irin ana ta tunzura kan nan cikin fami wance ta yi armi dan gidan wane ya yi armi ke kina na hanyar zibki armi kin sa mutane gaba abu kaɗan a ce bari in kin yi armi ki ta gidan mijin ki kishi wannan abin ke sa diya mata wataran su yi arman da basu shirya ba yanzu mai kuɗi ya zo miki shi wada mai kuɗi iya wulakanta mace wallahi aka ce ilfo a ban ce duka ba daman ma aka ce ilfo être méfiant den nom den pauvre qui a été surpris par l'argent mai yawanci masu wulakanta mata wallahi wa'en gane da busu wahala ba suka samu kuɗi irin wanga ne kawai Allah ya musu buɗi dijin Orlando mai rana ɗaya Allah kan yi bature sun tashi sun yi kuɗi ba wulakantattu kamar su su gani suke mace kamar riga ce su sa ki su hudda ki ba komai bane a arme ki a sake ki yau ba wani abu bane mhm. gurin abinda bai ta ya karya ba wallahi sai ya saka ka to irin wanga ke yarinya gidanku an tun ziraki kin yi katari da wanga an zo ana ta kina nan bayan HDM mi ya ci bale ya baki ga mai kuɗi na ya huto miki wannan abin zai sa ko kina san shi sai ki danna zuciya ki dan ki huta ki tai ki arma ashe biki huta ba wahala ce zaki wahala ba to duk abin da zaki mishi cha zai dan kuɗi shi ne ba dan kina san shi ba kina a guje ma wulakanci ko ba gaskiya ba kai a ganin ka akwai wata ƙarya mai amfani est-ce qu'on peut parler d'un mensonge utile par exemple c'est c'est a règle générale gaskiya ba ganin ƙarya mai amfani mais Par exemple, la, sacralité par exemple, du mariage. La sacralité du mariage. Comment il est parfois permis en islam de faire un mensonge tellement que le mariage est sacré. Par exemple, la femme, et tu sais que peut-être elle, elle, s'emporte vite. Quand j'ai que tu me casa, me parce que tu n'as pas d'argent ou des petits trucs. <laughs> Parce que tu sais que ça peut déclencher euh, un, truc. Après, ce genre de mensonge, certains savants, bien que d'autres disent que c'est pas permis carrément. <laughs> Certains d'avant disent pour sauver le mariage, il t'est permis de faire ça. mais, ce c'est pas mentir au niveau de la dot, c'est pas mentir dans ta situation de travail, c'est pas mentir dans ta possibilité de la mettre dans certaines conditions. C'est pas de cela qu'il s'agit. des petits mensonges et des grands mensonges. de la vie là Allah ya yi mu to chacun va trouver chaussure à son pied comment in ana zancen matérialiste ni j'ai toujours été contre cela Il wallahi a pas quelqu'un qui n'est pas matérialiste dans cette vie là que ça soit l'homme ou femme Il ya fa paske ba wanda zai roƙi ya wahala tout le monde a des ambitions Ah, ba wanda zai ba ba baka ki ba kullun a ce ka ci kaza tsakani da Allah sai dai in baka samu ba ko amma le matérialisme en question c'est le fait que l'homme se lie au matériel n'est-ce pas plus, que, plus au, comment dirais-je, à l'humanité. C'est ça le truc du matérialisme. Je m'explique. Pour un souci financier entre le mari et la femme, par exemple, il a promis de lui donner un million et il n'a pas donné les 1 million, par exemple. Ça ne doit pas être source d'un divorce parce que tu n'es pas venu pour le million là. C'est lui peut-être qui a pris l'initiative de te donner ça en Oui. mai kashi ko eh. kan maganin ka ka ai kenan abun da ka san sai fadan te capacity ka iyawa dan mi zaka mata prometer kin miliyon ka san baka da su baka da mahitar su kenan tun nan kai ma baka so zaman lahiya ba ko ba gaskiya ba shi yasa na ce ka hito a ka ta mutun yanda kake ga abun da ita ta san abun da kake iya yi in dai ka zo babu ƙarya ka san abun da take iya yi kuma ka san ita ma ta san abun da kake iya yi yau in aka ce wani ya zo mata yanzu ya ce mata salamu alaikum wance wane ya ce in kawo miki yan miliyon wallahi in dai ta san kahin ta amshi miliyon kinan. in dai ta san mijinta bai da capacity kin da zai kawo le miliyon la wallahi la première des choses l'autre za ta doka ta kira shi wane voilà voilà il y a une explication parce que yau ne zaka tashi kana tare da mutum ni yanzu for example samarina da nake tare da shi yanzu in huta ko ga a ce ga yana ya kawo min mota wallahi ba ni yarda ko kala ko ko tambola ya ci <laughs> je peux pas comprendre parce que il a beaucoup de priorités avant cela comment yau min in kaman duk abun da yake me yake ake cha ruwan da ya bigi babban zakara shi ya jawo maka ne tsakani da Allah tunda yau in kai ka ɗauki rayuwar ƙarya ka samu kanka ni for example 'yan mata da samari ke sai musu wani iphone 12 14 'yan trikomsa dirar da samari il'oz ni ya sai mini iphone 14 ka in ba yi na mare shi ba saboda sai 'yan manka du respect a mon negar moi je cherche un mari sincèrement eh, eh, donc eh, tu as de l'argent même pour me payer iphone tu n'as pas l'argent pour amener ma dot c'est des foutaises kenan kai kake ma kanka mutunci kayan wani ya mutunta ka c'est ça, on dit le respect, là, ça doit être mutuel. Le respect, ça doit régner dans toutes les relations. Kenan ka idace, c'est tes principes. tama kwatanta ma mutum kai ba shashen ce kaka ba in shashen kaka wallahi gaba wani ni ko wani yawo restaurant wani en pay partout ah da tan sa otar wallahi ça fait envie a hudda ka kai ma je ka ci wata yar pizza nan da daɗi amma abu ya zama ko da yaushe kenan kana da ma ka dikawa ai arman ko kenan abin ya zama raina hankali kenan kowa ya eh, kama hanyar ci ba ba soyayya ce ake so tsakani da Allah kenan yau <laughs> in aka maka karya ko ana gida in aka yi zaman army tsakani da Allah ba a ce kullun a ci kwakwa ba ko ba gaskiya ba daitan za'otar mace wallahi a duniya babu mai haƙurin talauci kamar macen da take son namiji babu ta kenan in ka hito ka gwada mace kai ga da kake na rantsi da Allah a kada a raya in duk duniya zata ce batta yinka wallahi tana yinka babu wanda isa zai sauya mata ra'ayi babu shi kenan ka a tsaye wani kewaye kewaye ka a tsaye a ma juna karya ta sani yau in akwai wallahi an ci kaza in babu kuma a ci miya kuka da tuwon labshi ta sani akwai ta sani in babu kenan tun da kai ka fito mata a mutum ta san da lalle da lalle haka nan ne yau mace matan duk ba mazan ke tura suna yin karya ba hoto wanga na banza ka yi tsaye daga magana ta farko an vuwa ma ta yi foto dole kenan ka ce ta ari iphone ta yi hotuna ta tura ma ko pour te c'est la même la sur les sources des mensonges in ji baby shaba Euh, on va souffler un peu. Donc, euh, c'est parti pour la pause musicale, les amis. aux âmes Sorari, le groupe Soga, Maila Kanida, Samarin Shahu. Little kuga gaba da gabatar muku da wannan shirin namu na mu hada fada akan maudu'in namu na yau wato pourquoi les mensonges et les fausses promesses avant le mariage. Kamar yadda na faɗa muna a filin studio Kalangu inda muke ci gaba da tattaunawa tare da manyan bakin mu na fada kun ji su kuma za ku sake jin su tunda za mu ci gaba da tambayoyin mu. Yanzu idan mutum ya riga yayi ƙarya ana iya gyara ƙarya abin da yake so in sani ana iya gyarawa kai a ganin ka ana iya gyara ƙarya. Kan muku wani karamin misali. Mhm. Yadda kuka san moɗa ne na butali ko kuma in ɗauka in ce madubi yanzu in kuka ɗauke shi kuka riƙe haka in kuka sake shi yana hausha ko ba zai hausha ba sosai ma tarwashewa zai yi ba hushewa eh? ba yanzu bari ɗaukan muku ƙaramin misali yanzu kama farbris na mota yanzu yaro sai ya koma daga baya sai ya wurwuro dutse in ya buge vitir din motar na yana hausha ko amma ya kai wajen masu gyaran farbris akwai wani farbris da suke sa suna gyara eh aka gyara wannan tsagar za ta gyaru za ta yi kama an gyara amma yanzu wanda donc c'est pour dire que même après avoir brisé quelque chose il y, toujours, il y aura toujours des traces en fait. En fait, pour toi, le mensonge, ça brise. En fait. Ça brise, il y aura toujours des séquelles. Voilà, mais on peut, on peut quand même faire semblant pour éviter eh, de, couper complètement le pont avec la personne. Mais quand même, moi je pense que c'est quasi impossible de, de recoller. y a derrière qui Battre, gyara. Déborah, est-ce qu'il est possible de réparer un mensonge Avant de commencer, je vais donner un exemple. Quand on construit et qu'on fait une mauvaise fondation, c'est que sur le mur va tomber. Et si le mur tombe, il faut qu'on reconstruit encore, n'est-ce pas Donc je peux dire que on peut se rattraper, mais on ne peut pas recoller les morceaux. Parce que même si tu dis à la personne, il y aura plus de confiance. Il y aura toujours des méfiances. Donc, même si tu arrives à dire à cette personne, vraiment, il n'y aura plus de confiance. Parce que tu ne peux pas me mentir, me dire ce que tu n'es pas, et revenir me dire, voilà, ce que je t'ai dit, c'est faux, voilà ce que je suis, et tu veux qu'on reste tel qu'on est. Et ça ne peut pas se faire. C'est que ce qui est sûr, il n'y aura plus de respect. Et dans un couple, là où il n'y a plus de confiance, il n'y a pas de respect, ce qui est sûr, ça va finir par se briser. Donc moi, je préfère qu'on dise avant de le réparer. Parce que ce n'est pas tout qu'on peut réparer. Ce n'est pas tout qu'on peut réparer. Le mensonge, ça détruit le respect et la confiance. Qui a gagné ana iya gyara shi? Bon. Ni a na ana e gyarawa. Parce que Hausa suka ce soyayya bata bar komi ba. Kuma aka ce so hana ganin lai Yau mutum ne ya maka karya. ko an shiga processus in arme ko kuma bayan an yi arme moi je vu un cas kamar yarinya da samarin ya nuna mata kamar shi dan mai kuɗi ne imagine deux ans de relation ba ta taba ganewa ba ya da mota in wani abu take so hakan ga bai taba kasawa ba yanzu aka zo aka yi arme aka yi komi da komi aka ida trois mois rayuwa ta sauya wani ina mota ya ce mata motar nan ba tawa bace sai bayan army trois mois a le mariage ta ce mishi ba ya ce mata ba motar shi bace ta ce mishi dan me yanzu ya zama mata explique ya ce mata kamar yadda nake ce muku ne an kamar jita jita da ya ganta ma ya ce na so aka ce mishi kai wa garin ya tahi karhin ka irin wanga fada ka ce kai wallahi tahi karhin ka kai in mimi za ta yi da kai kallata wane ne da wane ne yanzu wani abun sai ya sa mishi shakku cikin zuciyar shi shi kuma tsakani da Allah yana son yarinya ga kuma da arme yake santa yanzu an yi arme an yi komi ya kwatanta mata ya ce mata lui il peut comprendre yau in ta ce za ta rabu da shi yana iya ganewa amma sai de lui faire confiance parce que yana da aiki ila yan travail ila sa moto et tout mota dai ce babu da gidan da take so na jin daɗi irin wannan kwa tunda ya kwatanta mata gidan da suke ciki gidan wani abokin shi ne da bai nan suka zamna me yanzu ya samu haya shambir salon za su komawa inda bayan aure da turwa yake kwatanta mata wanga duka sur le moment c'est bien normal qu'elle soit choquée akwai ciwo akwai haushi paske sai ina amini da ta kiraye ni ta kwatanta mini take ce mini a ah, ita barin gidan zata yi ba ta iya zama da shi wane ne da wane na ce mata wance c'est simple o bai yi maintainer in man son jikin bayan arma ma ya samu courage ya zo ya ce miki gashi yanda ake ciki sai ton plan duwa yau in kika ce kin wasa arman amma biki san gaba mi za ta aihuwa ba consensus ne wani babu ƙarya kakka saki ba ni sakewa alƙawali ne na dauka gaban ubangiji shikenan a ci gaba da rayuwa don kin ga ba aka ce yanzu ho na garho de nos jours quelqu'un qui arrive à te nourrir trois fois par jour tu manges à ta faim qui te frappe pas c'est ça un mari exemplaire qui arrive à prier ses cinq prières de nos jours c'est ça un mari parfait mais il in ta hito cikin wanga pacific ta ce ko har dori komite a inda ya dawo da wurin aiki l'aide à faire tous ses tâches ménagères. Carrière de c'est ça seulement son péché et puis c'est parce qu'il veut se marier. Actuellement, le mariage n'est pas mauvais en soi, mais c'est les idées que les hommes ont fait du mariage qui fait en sorte que Moutani, il n'arrive pas à croire. Kenan, ni na kwatanta ta nace inda kina son mijinki wallahi zamna paske in kika hutu Allah ka san bonan da zaki ci gaba Dieu seul sait si la il le courage ba ayu ba ai ko me yayi avouer c'est parce que yana son ki kuma ya kwatanta miki da yana so Voilà, actuellement, ils ont deux enfants. masha Allah le mari, il a une bonne situation aujourd'hui. Des fois, haƙuri ne ba mu da. kenan baby shark kin ba mu na kira ayi wato ana iya gyarawa ana iya gyara ko ba gaskiya paske so ana ganin lai D'abord, attends, elle s'agit, elle répondre, vas-y. Euh, au fait, moi, je dirais que ça dépend du degré de mensonge. Parce que, par exemple, sur le plan sanitaire, tu mens à la fille, tu connais déjà ton statut, tu n'enfantes pas n'est-ce pas Et la fille, tu ne lui dis pas. On peut faire des tests, euh, excusez-moi, des tests maintenant qu'on peut changer. On fait des tests, c'est une fois dedans la femme, un an, elle n'accouche pas deux ans, elle n'accouche pas, trois ans, elle n'accouche pas. Et c'est par après tu vas venir me dire que tu n'accouches pas. C'est un sérieux. Ça, c'est quel genre de mensonge Il y a des mensonges qui ne peuvent pas vraiment se régler. Il y a le mensonge que quand c'est trop, on quitte chacun prend son chemin. Parce que de nos jours ici, la réalité, on voit toujours que c'est la femme qui n'accouche pas, alors qu'il y a des hommes qui ont des problèmes, n'est-ce pas Mais à chaque fois, et maintenant on s'est marié, tu m'as pas dit comment tu es, et on va me dire que ça, on peut gérer, on ne peut pas régler ça. Chacun pour soi. Ah, Bougban. Ça, voilà. voilà. um, Ibrahim, quand j'ai Nasura, kai me za iya ƙara mana akan wannan ana oh. iya gyara ƙarya in an riga an yi akwai eh. hanyar da za a gyara ta wata hanya ce ake iya kamata abi a gyara ƙaryar to eh, ko in ce ana iya gyara ƙarya kamar yadda hudi kana brisa wani me yake cewa vers Hakwani avec Buk et tel qu'il était. Ça, c'est ça la réalité vraiment de quelqu'un à qui on ment. Mais c'est lui qui ment. Quelle est sa situation En islam, le mensonge est un grand défaut. Il faut donc le corriger. C'est pas seulement chercher à réparer. Et il y a un exemple d'un compagnon qui a, qui a évité tous ses péchés à cause de, de la vérité. Un jour, quelqu'un est venu au professeur Hassan, et dit, il, il, il fornique, il boit l'alcool, il fait tellement de péchés. Le professeur a, dit vas-y, dis la vérité. Tu dis la vérité. Bon, il pensait que c'était banal le conseil. Et il est parti. il, vient. Il fait des petites courbettes et ça me Et il est venu, il ne peut pas. Parce que ça Au niveau de la femme, celle qu'il courtise, il va la marier. Elle arrive à se satisfaire. Donc à partir de la, du fait de dire la vérité, ça lui a permis de sortir de tous ses autres péchés. Pour dire que le mensonge, dès que tu commences à faire le péché, toutes tes affaires commencent à se détériorer, y compris ton foyer. Donc, en tant que père responsable du foyer, c'est un grand défaut de mentir. Donc, dès, dès les, comment dire, les étapes de, de, de, que tu as il faut tout faire pour ne pas mentir. Parce que le mensonge, là, va te rattraper dans le foyer. Donc, c'est vraiment un comportement à ne pas faire. Dire qu'on peut le réparer aussi, c'est une erreur. Vous ne pouvez jamais réparer le tort que vous causez à travers un mensonge. Ce n'est pas possible. Vous allez faire avec, comme elle l'a dit, vous allez patienter faire avec. Mais ce n'est pas réparable. Et c'est sur ce qu'on va balancer Olivier et sa chronique du jour. Amis jeunes, chères auditrices et auditeurs, chers amis de la FADA, bonsoir et merci de votre fidélité au programme du Studio Kalango. Ce samedi, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, tranquille. Il vous souviendra que dans la chronique du dimanche passé, je vous ai promis de revenir sur l'inclusion numérique. L'inclusion numérique est définie clairement comme étant un process, un processus qui vise à rendre le numérique accessible à chaque individu principalement la téléphonie et Internet, et à leur transmettre les compétences numériques qui leur permettront de faire de ces outils un levier de leur insertion sociale et économique. Bah, vous allez vous demander qu'en est-il du Niger Au Niger, depuis presque une décennie déjà, des efforts du gouvernement ont abouti à la mise en place d'une stratégie d'inclusion numérique. Une stratégie nommée Niger 2.0, pilotée par l'Agence nationale pour la société de l'information, ANSI à travers ces stratégies. L'État nigérien et ses partenaires implantent à travers les villes, les villages, les départements, des villages intelligents, des centres informatiques installés à proximité des populations ayant pour objectif de faciliter l'utilisation du digital dans les activités quotidiennes des populations. Agriculture, élevage, santé, éducation, tous les secteurs vitaux sont connectés. Chers amis auditrices et auditeurs, l'inclusion numérique n'est pas une frénésie de mode. Non, c'est une passerelle. Une stratégie ayant un double objectif la réduction des inégalités et l'exclusion sociale en mobilisant le numérique, le numérique comme levier de transformation individuelle et collective. C'est également un pourvoyeur de nouveaux métiers, des métiers qui demandent de nouvelles compétences. Et heureusement, ces compétences sont aujourd'hui à la portée des jeunes. Conclusion, avec votre téléphone, votre ordinateur, un peu de connexion Internet, beaucoup de volonté, beaucoup de créativité et hop, vous voilà acteur de l'inclusion numérique. Chers amis, auditrices et auditeurs, à chaque génération, son opportunité et son lot de chance. Le digital n'est-il pas une partie des opportunités de notre génération C'est la question que je me pose et cette question, elle reste posée. D'ici là, on se retrouve demain pour une nouvelle chronique. Portez-vous bien, paix, lumière, amour et sur la route de l'inclusion, allons décrocher les étoiles. les amis, tous à la fada, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à tous de l'avoir suivi. Notre thème du jour, c'était pourquoi les mensonges et les fausses promesses avant le mariage mun fadar Tam Tareda da manyan bakinmu on était dans votre émission tous à la fada avec euh, Bibisha qui n'est plus à présenter, Suleiman Kasum, avec euh, Deborah, Hamid et Ibrahim. Kuma kamar yanda suka karia ita dai ƙarya ba da ko a aure ne na yau da kullum a guje ta shi yafi domin samun zaman lafiya Hausawa ma suka ce ma abun su ita gaskiya dokin karfi ne. Merci à tous de voix suivi sai kuma gobe da Allah ya kai mana rai da mu dawo muku da wannan jigon amma za ku ji ko mi irin wannan matsalar ke haifarwa kafin nan ku ci gaba da kasancewa tare da shirye-shiryen studio Kalangu.